Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro Moussa Maman à Agadez. Vous nous écoutez sur les ondes des radios Nomad FM et Sarah FM. Le forum d'aujourd'hui porte sur la vaccination contre la COVID-19. Quelle est la situation à Agadez, ville de transit de migrants Le premier cas de la COVID-19 dans la région d'Agadez est apparu le 30 avril 2020 à Arlitz. La particularité de la région d'Agadez, c'est le mouvement des migrants et des refoulés d'Algérie qui fait que dans chaque vague des tests systématiques de COVID-19 sont réalisés. La région a réussi environ 35 500 doses de vaccins contre la COVID-19 Sinopharm AstraZeneca et Johnson Johnson, selon la Direction régionale de la santé publique d'Agadez. Quelle est la situation de la COVID-19 dans la région d'Agadez Quel est le bilan de la vaccination contre la COVID-19 six mois après le lancement de la campagne de vaccination Comment se présente la vaccination chez le migrant Pour débattre de la thématique, nous avons invité M. Abdou Malam Souley, coordinateur des immunisations à la Direction régionale de la santé publique. Bonsoir, Monsieur Abdou. Bonsoir. Nous avons Abdul Rachid Kolo, assistant projet à l'Organisation internationale pour les migrations à Agadez. Bonsoir, monsieur Rachid. Bonsoir, Moussa. Boubacar Wadel, vous êtes le président du conseil communal de la jeunesse d'Agadez, acteur de la société civile aussi. Bonsoir, monsieur Wadel. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce forum. Donc, Monsieur Abdou Malam Soulé, coordinateur des immunisations à la direction régionale de la santé publique, nous allons débuter avec vous. Quelle est la situation générale de la COVID-19 à ce jour dans la région d'Agadez euh, Bonsoir. Nous avons enregistré environ 12 244 tests. Sur les 12 000, nous avons eu 921 cas positifs. Et actuellement, sur les 921, 886 sont sortis guéris. 17 décédés, 15 évadés, et trois en suivi actuellement, dont euh, deux à Agadez et un à Samaka, précisément. Alors, comment évolue la situation au vu de la position d'Agadez Je veux dire par là qu'Agadez est un pôle de transit de migrants au Niger. Vous savez, euh, c'est un pôle où toutes les personnes en, en voyage sur l'Europe passent d'abord par la ville d'Agadez avant d'emprunter soit le chemin vers euh, Bilma ou vers Arlit. Donc, ce qui fait que euh, ces migrants-là, ils sont euh, systématiquement testés, y compris les refoulés, parce que ceux qui reviennent aussi sont testés. Ce qui fait que nous avons un taux euh, élevé de positivité dans cette population, parce qu'elle est très nombreuse, la population mobile. Alors, euh, quelles sont les dispositions prises par les autorités donc, régionales pour prévenir et gérer cette pandémie de la région Les dispositions sont les mêmes qu'au niveau national, c'est-à-dire les mesures préventives, à savoir le lavage de mains à l'eau et au savon, la désinfection au gel hydroalcoolique, la distanciation sociale et euh, la prise en charge quand on a des symptômes. Donc, à peu près, ce sont ces mêmes mesures au niveau national. Alors, euh, Abdullah Rachid Kolo, je rappelle bien, vous êtes assistant projet à l'OIM, à Agadez. Particulièrement au niveau de l'OIM, comment faites-vous pour appliquer ces mesures barrières Oui, merci Moussa Maman. Donc, euh, comme on l'a bien entendu dire euh, de la part du responsable de ce volet au niveau de la DRSP, je précise que c'est pratiquement les mêmes les standards qu'on applique aussi au niveau de l'OIM. C'est les standards qui sont effectivement établis au niveau national et suivis par le comité régional euh, de lutte contre euh, la Covid-19 et principalement aussi au niveau, tant au niveau de nos centres que qu'à travers euh, le processus AVR, donc de, mobilité de ces migrants, nous appliquons pratiquement la même chose, à savoir d'abord les sensibilisations que nous faisons à travers nos MOBCOM, donc les mobilisateurs communautaires. Euh, il y a aussi le lavage des mains qui est intensif au niveau de nos, de nos centres de transit. Il y a aussi la désinfection du centre euh, de manière très régulière et très périodique. Les centres de transit. Le centre de transit, bien sûr. Il y a aussi la distanciation physique et toutes les autres mesures, à savoir le port du, de, de, la bavette du masque, qui est obligatoire dans, dans nos services et au niveau des centres de transit. Voilà un peu ce que nous faisons et c'est vraiment les standards euh, nationaux qui sont appliqués. Merci Rachid. Euh, Monsieur Wadel, euh, quel est votre avis sur la situation présente de la COVID-19 au niveau de la région de la en tant qu'acteur de la société civile Ok, Monsieur Moussa, merci. Merci. Et vu les chiffres qui ont été donnés par les responsables de la santé, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas assez de cas, comme au début. Vu le nombre qui au début, c'était c'était les... Je pense qu'il y, a une diminution, peut-être c'est à travers les, les, sensibilisations qui ont été faites. Par exemple, comme les cinq signes des barrières pour se protéger contre la Covid qui ont été efficace et les gens ont pu respecter les consignes. Pour le moment, après Niamey, c'est Agadez. C'est Agadez, oui, oui c'est Agadez. Pour vous, euh, cette situation de la pandémie, euh, c'est stable à Agadez En tout cas, on peut dire c'est stable parce que d'abord, nous, on n'est même pas trop impliqués dans les activités, par exemple, dans les actions qui ont été menées. Impliqués comment Impliqués, par exemple, dans les activités de sensibilisation sur la COVID-19. Et il y a certaines informations qui, c'est à travers la radio même que nous sommes informés. On n'a pas été impliqués comme ça. Et pour voir qu'est-ce que nous, en tant que jeunes de la commune, qu'est-ce que nous pouvons euh, contribuer de notre côté pour euh, euh, qu'on puisse sensibiliser les jeunes de la ah. maladie. Alors comment appréciez-vous toutes ces mesures contre la pandémie En tout cas, vraiment, j'apprécie. Hein parce qu'il y a tellement il il y a tellement d'appui avec les organismes, les organismes qui ont fait des dons aux autorités régionales et communales, euh, des dons des savons par exemple, des gels hydroalcooliques et des bavettes. Il y a tellement d'appuis des pour ça et je pense que c'est suffisant. On peut dire que c'est suffisant. La campagne de vaccination contre la COVID-19 a été lancée en fin mars ici au Niger. Six mois après, quelle est la situation de cette vaccination dans la région d'Agadez Bon, pour la vaccination aussi, on, entend qu'il y a des gens qui ont été vaccinés. Parce que j'ai appris qu'il y a des endroits où c'est des autorités qu'on Il y a des jeunes même qui m'interpellent par rapport à ça et qui disent qu'ils eh, n'arrivent pas à comprendre les vaccins qui sont en train de se faire au niveau de la commune. C'est les autorités seulement qu'on est en train de vacciner. Perso, n'ai pas vu de mes yeux que voilà, il y a une équipe qui est venue de santé dans un quartier pour dire que ah, voilà, telle fada, sont en train euh, de vacciner des jeunes qui sont assis ou bien sont rentrés dans une maison. Perso, j'ai entendu qu'il y a une vaccination, mais nous ne sommes pas au courant de ce qui s'y passe. Merci. Euh, on va revenir avec euh, la direction régionale de la santé publique. Monsieur Abdou, euh, la campagne de vaccination contre la COVID-19 a été lancée en fin mars ici au Niger. Six mois après, quelle est la situation de cette vaccination ici au niveau de la région d'Agadez Pour la campagne de la vaccination au niveau de la région d'Agadez, alors où je vous parle, nous sommes à, à, peu près à 15 200 doses administrées des différents antigènes que nous avons reçus. Comme vous l'avez dit au départ, nous avons reçu euh, le Sinopharm, nous avons reçu l'AstraZeneca et, et Johnson Donc, euh, pour tout euh, expliquer, ces doses-là étaient d'abord administrées par le Sinopharm qui avait commencé où nous avons eu environ 10 000 personnes 10 000 doses administrées, que ce soit la première ou la deuxième dose. Nous avons suivi d'AstraZeneca où on a eu 4716 doses administrées. Et enfin, le dernier antigène qui était arrivé tout récemment avant-hier, nous avons déjà administré 420 doses. Et la vaccination se poursuit. Et pour répondre ou expliquer à mon voisin, euh, la vaccination se fait au niveau des sites prévus. C'est-à-dire ici, au niveau de la ville d'Agalès, par exemple, je prends pour la commune, c'est sont les formations sanitaires, c'est-à-dire les CSI qui sont prévues. Et au niveau des deux districts, il y a le district euh, Agadez commune et le district Chiro euh, qui siège aussi ici. Donc, euh, ils ont des horaires de vaccination. Je crois que tous les jours ouvrables. Quand vous vous rendez ici, vous aurez votre dose. Mais le seul problème est que par rapport à la population cible qui est d'environ 2700 70 personnes à vacciner. Nous avons eu des flacons avec 5 euh, doses, 10 doses. Donc, si on ouvre un flacon de 10 doses, après 6 heures de temps, s'il n'y a pas une autre personne, il faut jeter. Donc, ce qui fait qu'on a eu un taux de perte très élevé au début. Mais après, on a compris que 2 euh, avec personnes, on peut donner rendez-vous. Si vous pouvez rester 15-30 minutes. Il y a d'autres qui ont déjà pris des rendez-vous. Maintenant, ça diminue les, pertes parce que nous n'avons pas suffisamment euh, reçu pour couvrir à 100% euh, la population. Mais ce qui, est là quand même est en train d'être consommé. D'autre part, quand on fait ça en termes de pourcentage, la, le taux de couverture est bas, mais 5%, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose et l'État Continuer à envoyer des vaccins. Nous avons, je l'ai dit encore, nous avons récemment euh, reçu des vaccins. Ils sont sur le terrain. Maintenant, si vous vous présentez au district ou dans un CSI, vous aurez votre dose. Voilà ce que j'ai Alors, euh, pourquoi est-ce que les autorités sanitaires demandent à la population de se faire vacciner Une fois vacciné aussi, est-ce qu'on peut être affecté par la COVID-19 Si oui, quel est le rôle du vaccin dans l'organisme Très bien. Euh, vous savez, le vaccin, c'est pour acquérir ce qu'on appelle l'immunité, une protection de l'organisme par rapport à des antigènes, euh, des antigènes, oui, effectivement. Mais une fois protégé, vous pouvez, par exemple, dans le cas de la COVID-19, avoir la maladie, mais pas la forme grave. Vous allez faire la maladie et vous allez vous promener sans pour autant se coucher. Mais quand on n'est pas vacciné, quand on va faire la maladie, c'est la forme grave généralement qu'on développe. Et c'est pour éviter ça, et éviter surtout aussi de contaminer les autres, qu'on conseille aux gens de se faire vacciner. Sachez que jusqu'à présent, au Niger, la vaccination n'est pas obligatoire. Hmm? Donc, c'est les volontaires qui partent se faire vacciner. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Alors, vous avez parlé du rôle de, ce vaccin dans l'organisme Oui, on peut le résumer parce que il faut aller détailler, c'est plus scientifique. C'est plus scientifique mais il permet de, développer de ce qu'on appelle les anticorps pour protéger l'organisme. Voilà ce qu'on peut dire à la population. Quand euh, je vous donne un exemple, euh, on va venir sur euh, l'immunité collective. Ça dépend de l'antigène, donc du germe en cause. Quand vous prenez par exemple pour la poliomyélite que nous sommes en train depuis des années de, de faire la vaccination, il faut au moins vacciner 80% de la population pour avoir l'immunité collective. Quand vous prenez pour la rougeole, il faut avoir au moins 95% des vaccinés pour avoir euh, l'immunité collective. Cette immunité collective, elle peut être vaccinale ou bien due à une maladie antérieure. Quand vous avez déjà développé la maladie, ça veut dire que vous avez les anticorps, vous ne pouvez plus développer cette maladie après. Donc, pour les scientifiques, pour la COVID-19, ça va de 70% et plus. Voilà ce que j'ai à dire sur l'immunité euh, collective. Merci, Monsieur Abdou. Euh, Rachid Kolo, euh, représentant de l'OIM, comment se fait la vaccination des migrants ben, De prime abord, j'insiste sur l'aspect volontaire de cette vaccination. Parce que ce n'est pas encore obligatoire, vous venez de l'entendre de, de, la bouche des autorités sanitaires de la région. Ce n'est pas effectivement obligatoire, donc vraiment c'est basé sur du volontariat. Néanmoins, au niveau de l'OIM, ce que nous faisons, c'est de sensibiliser. Il y a tout, un, tout un dispositif de sensibilisation vraiment à, au bénéfice de nos bénéficiaires qui sont les migrants pour qu'ils euh, veuillent se faire vacciner et tout se passe dans l'ensemble positivement. Est-ce qu'il y a des cas de refus Oui, mais on ne peut pas parler de refus quand on parle de volontariat. C'est contradictoire. Parce que quelque chose qui est bénévole, qui est volontaire, qui n'est pas obligatoire, il n'y a pas de, il a pas question de refus dedans. Euh, il n'y a pas euh, parfois si on détecte quelqu'un, il est, il, est positif. Il, Non, quand quelqu'un est positif, euh, les normes mises en place au niveau régional. la manière dont les gens sont sceptiques là, par rapport à ces versets. Oui, justement, c'est de ça que je parle. Même quand les gens sont sceptiques, les cas positifs sont directement référés à la, au service sanitaire. C'est eux qui ont la capacité de vraiment gérer les, cas positifs. Euh, je vous répète, comme aime bien le dire un de mes chefs, euh, OIM, le M, là, c'est pas médical, c'est vraiment migration. Donc vraiment, côté médical, on le laisse vraiment aux autorités sanitaires de la région, notamment pour ce qui concerne le cas de la COVID-19. C'est vraiment ces autorités sanitaires de la région qui sont habilitées à gérer les situations des cas positifs. Alors, quelles sont les dispositions, les dispositions prises au niveau de l'OIM pour prévenir la COVID-19 chez les migrants ben, Pour prévenir, c'est tout ce dont je vous ai parlé tantôt, vraiment les dispositifs de prévention. Il y a la vaccination certainement, il y a aussi les autres euh, mesures barrières telles que les bavettes, la distanciation physique, le lavage des mains, les gels hydroalcooliques qui sont disponibles à tous les niveaux dans nos, établissements, tant les centres de transit que nos bureaux, les bavettes et aussi la désinfection de nos centres et locaux de travail. Donc tout est désinfecté de manière euh, périodique et vraiment régulière. Il y a le, le migrant vient de Asamaka. Quels sont les dispositifs C'est les mêmes dispositifs. C'est les mêmes dispositifs de Asamaka jusqu'à Niamey. Là-dessus, rassurez-vous, vraiment, toutes les mesures ont été prises et vraiment avec une collaboration stricte et très avancée avec les services sanitaires au niveau régional et au niveau de, de concentré. Depuis Assamaka jusqu'à Niamey, nous travaillons main dans la main avec les autorités sanitaires. D'ailleurs, par exemple, même pour les convois qui acheminent nos migrants d'Agadez sur Niamey, ils sont accompagnés par un convoi qui est un convoi médical. Il y a une escorte médicale qui les, qui les, qui les, accompagne jusqu'à destination pour éviter effectivement que les migrants vaccinés ne se fassent contaminer en, cours de route. Merci beaucoup, Monsieur Rachid Kolo. Boubacar Wadel, quel est votre avis par rapport à cette campagne de vaccination Mon avis par rapport à cette campagne, moi, je pense qu'il y a eu tellement de campagnes de sensibilisation. Je peux vous assurer qu'il y a tellement de, projets, des, acteurs de la société civile qui ont mené plusieurs campagnes dans les écoles, au niveau des marchés, dans des autogargés. Vraiment, ça a été bien. Et l'information a bien passé par rapport à ça. Je pense que c'est ça même qui a fait que les chiffres même de la euh, contamination empirique s'est diminué au niveau d'Agadez. Alors, est-ce, est-ce que selon vos constats, les mesures barrières sont respectées par la population Bon, pour les mesures barrières, peut-être <laughs> les mesures barrières sont respectées, mais pas partout. Dans des lieux publics, parfois, les gens ne mettent pas des bavettes. Et par exemple, pour rentrer dans une banque, il faut une bavette. Ou bien pour rentrer dans un centre de santé, même si tu n'as pas de bavette, on te dit de payer. Tu payes, tu rentres. Donc, je peux dire que les bavettes à 100 francs. Donc je pense qu'on peut dire qu'il faut payer pour. Euh, il faut payer. il faut payer. Il y a eu des distributions gratuites de bavettes, mais par exemple, si tu viens à un centre de santé, tu n'as pas de bavette, on te dit que tu ne peux pas rentrer pour une bavette. Si tu n'as pas de bavette, tu payes à 100 francs. Ça veut dire se respecter. Le... Se respecter. D'accord. En tant qu'acteur de la société civile, euh, comment contribuez-vous dans cette lutte En tant qu'acteur de la société civile, on peut vous dire que et le conseil communal de la jeunesse a plaidoyé au niveau de l'entreprise Jekoba euh, et 1000 bavettes. Nous avons eu 1000 bavettes, on les a distribuées dans les écoles primaires. Et comme je voulais annoncer au début, demain, Inch'Allah, le conseil communal de la jeunesse sera sur le terrain. Il y aura une distribution de 2500 bavettes avec les projets CISP, dans les FADA, dans les centres de santé, au niveau des écoles et même dans les, publics comme les marchés et l'autogar. Au courant de la semaine Au courant de la semaine, on va faire 10 jours, du 23 au 4. Merci beaucoup. Donc, euh, M. Abdou, Madame Souley, euh, vous êtes euh, coordonnateur des immunisations à la direction régionale de la santé publique d'Agadez. La région d'Agadez a enregistré ces dernières semaines un taux élevé des cas de Covid-19 par rapport aux autres régions du pays. À quoi peut-on associer cette situation euh, merci. Euh, ça me fait rire quand vous dites un euh, taux élevé. Peut-être que ça vous fait rire. Ça me fait rire parce que quand vous suivez les informations et chaque jour que Dieu fait le soir 20h30, vous avez le bulletin de la situation Covid-19. Vous allez voir que il n'y a pas de taux élevé par rapport à la région d'Agadez. Et c'est Niamey. C'est Niamey. Et heureusement pour nous parce que les gens. Mais après Niamey, il y a Agadez, non ça, c'est quand on fait le bilan national. C'était le bilan national qui donnait euh, Agadez en deuxième position. Mais quand vous allez regarder les, quatre dernières semaines là, loin derrière, nous sommes peut-être même les derniers. Et ça, c'est dû euh, vraiment aux mesures prises euh, et le respect de ces mesures barrières. Et c'est là aussi de féliciter nos partenaires qui nous ont appuyés, par exemple l'OIM, qui nous avons enregistré un grand nombre de cas de positivité provenant de l'extérieur. Et l'OIM était à nos pieds. Et Dieu merci, nous avons su gérer, y compris la prise en charge. Donc, euh, sans oublier les autres partenaires, l'OMS, l'UNICEF, ils ont euh, bien d'autres encore. Alors, comment, comment se fait la prise en charge du malade Covid-19 en général en, en, général, la prise en charge, on ne peut pas rentrer dans le détail de ce qui se donne comme molécule, mais je vous dis qu'il y a un centre qui est là euh, pour la prise en charge. Quand vous passez au niveau du centre euh, hospitalier régional, vous allez trouver euh, un bâtiment spécifique, isolé des autres malades pour euh, ces malades euh, positifs. Et Là, je vous dis que c'est sous euh, les yeux de la gendarmerie parce que les gendarmes sont là pour contrôler l'entrée et sortie, euh, euh, non seulement des agents de santé, mais aussi des autres visiteurs, parce qu'il n'y a pas de visite là-bas. Hmm? Donc, pour plus de renseignements, vous allez vous présenter au niveau de ce centre, vous allez avoir tout ce qu'ils font comme prise en charge. on parle aussi de différents variants de la COVID-19. Quel est le risque de ce dernier euh, au Niger, je vais parler du plan national. Il y a les deux variants qui ont été enregistrés, c'est le variant Delta et le variant nigérien. Au total, environ euh, 13 cas ont été enregistrés et Dieu merci, euh, ces, quatre cas de dernière semaine, on n'en parle plus. Il n'y en a plus, la situation a été gérée. Donc, euh, la, le danger, si on peut le faire, euh, on peut le dire, c'est peut-être pour toutes les maladies. Quand on n'est pas vacciné, on attrape cette euh, maladie, on peut développer la forme grave. Et vous savez, au, vu de la situation, euh, la gravité de la maladie, il nous faut accoucher. Bon, euh, les agents de santé font ce qu'ils peuvent, mais Dieu fera le reste parce que c'est difficile. Souvent, même les pays les mieux équipés s'en sortent peu. Mais au Niger, quand même, on a su gérer. Alors, comment faites-vous la mobilisation de la vaccination Covid-19 est-ce qu'il y a eu une affluence vers les centres dédiés Une affluence pour la vaccination, oui. Tout à l'heure, je vous ai communiqué eh, le nombre de personnes vaccinées. Aujourd'hui, quand vous partez dans les sites de vaccination, j'ai dit il y a des sites de vaccination. Quand vous vous rendez, vous allez voir que de, de vue, euh, eh, eh, l'affluence même, les gens qui, les volontaires qui partent se faire vacciner. Et nous sommes euh, à notre euh, troisième ravitaillement en vaccin parce qu'on a reçu Sinopharm, AstraZeneca et Johnson Johnson. Et Dieu merci, les gens se font vacciner. Merci beaucoup, Monsieur Abdou. Euh, Monsieur Rachid Kolo, représentant de l'OIM, vous êtes assistant projet, je rappelle bien, à l'Organisation internationale pour les migrations. Comment vous faites la mobilisation des vaccinations. Est-ce que ces migrants sont sensibilisés au préalable euh, Oui, comme euh, je l'avais signalé, euh, effectivement, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites par nos MOBCOM. Et je tiens à rappeler que nous avions aussi une équipe médicale au niveau de chaque centre de transit. Et on a une unité spécialement dédiée au médical. Et c'est effectivement sous le contrôle de cette unité que toutes les sensibilisations sont faites dans le sens d'édifier ces malades, c'est pas mal, autant pour moi, ces personnes qu'on voudrait sensibiliser sur l'importance de la vaccination. Est-ce que ces migrants sont sensibilisés au préalable Oui, absolument. C'est de ça que je parle. Ils sont sensibilisés dès leur premier contact avec OIM. le premier contact se fait au centre de Asamaka. Donc, dès leur premier contact, euh, le premier contact des migrants avec OIM, c'est le, les mobilisateurs communautaires. D'accord Donc, à travers ce premier contact, effectivement, toute une série de sensibilisations est faite euh, sur euh, le Covid-19 et sur euh, d'autres thématiques telles que l'assistance au retour volontaire et autres. Donc effectivement, ils sont bel et bien sensibilisés. Et au niveau des centres, il y a des campagnes de sensibilisation et une surveillance active qui est faite sous la supervision, je le rappelle, de l'unité médicale. Et ces sensibilisations sont faites de manière efficace avec l'appui des délégués parce que euh, les communautés des migrants sont, euh, sont représentées par des délégués par pays. Chaque pays a un délégué qui, qui est en quelque sorte le représentant du, du pays au niveau du centre et qui est, si tu veux, le porte-parole de, de ces migrants de ce pays, ressortissants de ce pays, avec l'administration du centre. Donc euh, vraiment, il y a toute euh, une machine bien huilée dans ce sens de, pour sensibiliser les migrants euh, pour les vaccinations. Mais en cas d'infection au Covid-19, comment se fait la prise en charge C'est automatique. Dès qu'il y a infection, euh, on les oriente vers euh, les autorités sanitaires. Ils sont automatiquement référés vers le centre de prise en charge de la Covid. Au début de cette pandémie, certains migrants qui ont été testés positifs ont fui leur lieu de confinement. Est-ce que d'autres cas ont été enregistrés depuis oui. <laughs> Celle-là, je l'attendais dès au début. Hein. C'est <laughs> merci Moussa. Effectivement, il y a eu des cas de d'évasion. Et il l'avait signalé tout à l'heure le monsieur de la DRSP. Oui. Euh, mais c'est quelque chose, vous savez, dès que nous remettons, nous mettons à la disposition du comité médical, les autorités sanitaires, c'est vraiment quelque chose qui relève maintenant de leurs compétences de, de, gérer les malades au niveau de, de, de cette cellule d'isolement, de confinement et de, soins. Donc euh, il y a eu des cas, c'était le début, c'était la panique. Je pense qu'au tout début de cette histoire, ben, même toi qui es là en face de moi, tu ne m'aurais pas serré la main. Mais aujourd'hui, quand même avec les sensibilisations et avec euh, toutes les mesures qui ont été mises en place, les gens ont compris que vraiment en appliquant de manière stricte certaines mesures, cette maladie euh, qui existe bel et bien et quand même euh, bien prise en charge et vraiment les autorités sanitaires d'Agadez ont montré vraiment leur efficacité dans la gestion de cette pandémie. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres cas qui ont été restés Ben ça, je pense que c'est quelque chose que tu pourras demander peut-être à la DRSP. Euh, quel est l'impact donc d'un tel comportement L'impact de, quel comportement exactement? Ce comportement de, de, fuite, surtout euh, de certains migrants qui ont été testés, ils ont fui leur lieu de confinement. Eh, l'impact, je crois qu'il est minime dans le sens où le nombre, effectivement, par rapport au nombre qu'on a, qu'ils ont eu à gérer, je pense que l'impact, il est, il est, il n'est pas, il est à peine sensible, mais je préfère le laisser peut-être répondre à la question parce qu'il maîtrise plus. C'est vraiment quelque chose qui relève directement de, des autorités sanitaires. Monsieur Abdou, oui, il vous remet euh, la parole directement merci, parce que, euh, par rapport à cette question, euh, officiellement euh, et sur le terrain, nous, nous n'avons pas eu des migrants qui se sont évadés. Nous avons eu des refoulés. Et ce sont des Nigériens. Ils sont au nombre de 15. Il y avait une vague d'environ 900 euh, refoulés d'Algérie qui ont été, si vous vous souvenez, installés un peu à la sortie suite là-bas, là, qui ont été testés. Le temps, vous voyez, sur 900 personnes, hein, on a eu ces, ces, 15 qui sont positifs. Donc, euh, vous voyez, ils ont été mis à l'écart le temps de les prendre en charge. le gars de l'OIM, Rachid, a parlé qu'ils ont eu des cas d'évasion dans les, temps passés. Il a parlé Non, non, je n'ai pas parlé de cas d'évasion de, migrants. Mais c'est le site humanitaire, c'est un site qui est géré par euh, plusieurs euh, organismes au niveau d'Agadez. C'est un site qui relève vraiment de l'autorité de l'État. vous avez dit quand il n'y a pas eu sensibilisation, les gens. Non, c'est pas des migrants en tant que tel, pas mais c'est des refoulés. C'est des refoulés tels qu'il l'a signalé et c'est sur le site humanitaire. C'est pas dans nos centres. Continue, monsieur Voilà. Et ces refoulés-là, vous savez, quand on fait le test, il y a positivité, on prend l'identité et le contact de la personne. Et généralement, dedans, nous avons eu des gens de vers euh, Zender, un peu Kanché, autres. Donc, il y a eu contact. Ce sont des Nigériens, tous. Hmm? Certains ont été retrouvés, ceux qui ont laissé des contacts et ils ont été mis vraiment en, contact avec les formations sanitaires les plus proches pour le suivi. Mais sinon, aucun migrant ne s'est évadé. Merci pour cet éclaircissement. Euh, Monsieur euh, Boubacar euh, Wadel, je rappelle bien, président du conseil communal de la jeunesse d'Agadez, acteur de la société civile, nombreux sont ceux qui doutent encore de l'existence de la maladie. Comment expliquerez-vous cela Oui, en tout cas, tu parle bien de la Covid-19. Hein. Oui, mhm. en tout cas, il y a des gens qui doutent même du vaccin. Hein. parce que perso, même dans les fades, parfois, euh, il y a des gens qui disent que quand on, évoque le sujet des, des, vaccins, il y a des gens qui disent que, ah non, les vaccins, là, c'est pour diminuer la population, <laughs> ou bien c'est comme euh, le fait d'injecter autre maladie. Donc, vous voyez, c'est <laughs> un peu quand même, c'est désolant. Mais je pense que c'est important aussi parce que les vaccins qui est actuellement à la disposition, merci à Tonton qui m'a dit que les vaccins se font c'est fait gratuitement et volontairement au niveau des centres de santé. Et merci pour l'information. Je vais essayer de passer l'information. Et par rapport au vaccin, je pense que c'est très important qu'on fasse une campagne de sensibilisation. Donc, est-ce que c'est la, communication autour de la COVID qui n'est pas efficace C'est la communication au vaccin, pas au COVID. Mhm. Pour COVID, beaucoup de jeunes connaissent les barrières. Ou bien elle est mal perçue elle est mal Perçue. Au fait, il n'y a pas idée. On peut dire qu'il n'y a pas eu une sensibilisation dans les différentes fois pour dire aux jeunes qui, aux les vaccins, c'est pas du poison, c'est pas quelque chose qui va vous tuer dans les futurs. C'est important, venez vous vacciner. Maintenant, voilà ce qui fait qu'il y a tellement de jeunes qui ont, qui ont des doutes par rapport à ces vaccins. Alors, quelle est votre contribution dans le cadre de la mobilisation pour la vaccination de COVID-19 En tout cas, euh, comme je l'ai dit, Tonton m'a dit que c'est gratuit, c'est volontaire, Inch'Allah. Une fois le forum est fini, et à travers le groupe WhatsApp des différentes structures de jeunes que je gère personnellement, je vais essayer de les, informer que le vaccin, c'est gratuit au niveau des centres de santé. Et c'est volontaire. Si la personne veut, elle peut partir faire. S'il ne veut pas, elle peut rester. pour ajouter, nous disposons aujourd'hui de euh, du vaccin Janssen qui est une seule injection. C'est une seule injection seulement qui protège. Voilà, voilà une autre information aussi euh, très monsieur, importante. monsieur Abdou Malam Souley, je rappelle bien, vous êtes coordinateur des immunisations au niveau de la Direction régionale de la santé publique d'Agadez. Quel est le résultat escompté à travers la vaccination COVID-19 Le résultat de la vaccination COVID-19, comme je l'ai dit plus haut, c'est pour la protection d'abord de l'individu et de son entourage. Parce que quand vous êtes vacciné, non seulement vous n'allez pas développer la maladie. Et même si vous la développez, elle sera une forme vraiment bénigne, comme on le dit, qui n'est pas grave. Et vous n'allez pas encore exposer vos proches à la maladie. Donc, c'est pour cela qu'on conseille vraiment de se faire vacciner. Et les rumeurs, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des rumeurs. Quand je vous donne un exemple, celui de la poliomyélite. Depuis 1987, on est en train de donner du vaccin polio. Quand vous vous souvenez, on dit c'est pour empêcher euh, euh, les accouchements. Mais pourtant, depuis 1987, ceux qui étaient nés, ces enfants-là, sont aujourd'hui des grandes filles ou des grandes mères même. Et pourtant, elles continuent à accoucher. Donc, c'était faux. Et tant qu'il y aura quelque chose de nouveau, il y aura quelqu'un derrière qui va venir pour dire non, lui, il s'oppose. Et quand tu t'opposes, tu vas créer vraiment des conditions pour que, pour que tu aies des camarades pour partir. Donc, c'est des situations comme ça. Que ça soit en Afrique ou en Europe, il y a des opposants de la vaccination. Ils oh. sont nombreux. on parle d'immunité collective. Qu'est-ce que cela signifie Tout à l'heure, je l'ai dit. L'immunité collective, là, c'est quand on vaccine quelqu'un pour le protéger contre une maladie ou quand quelqu'un ou un groupe de personnes développe une maladie antérieure, il acquiert ce qu'on appelle l'immunité. Et maintenant, dans le groupe, pour, par exemple, euh, je l'ai donné pour la, la, polio, il faut aller vacciner jusqu'à 80% de la population pour avoir cette immunité collective. Les 20% là, ils vont, seront protégés par ceux qui sont déjà protégés. Voilà à peu près ce qu'on appelle l'immunité collective. Est-ce que l'immunité collective est possible Elle est possible. Elle est possible parce que vous l'avez vu. Aujourd'hui, il n'y a aucun cas de polio au Niger. Il n'y en a pas. Ça fait combien d'années il n'y a pas eu de cas de polio Maintenant, ce qu'on craint, ce sont nos voisins, comme le Grand Nigeria, où jusqu'à présent, eh, c'est un peu difficile d'accès à certains eh, milieux pour insécurité ou pour autre chose. Donc, c'est pour cela que souvent, on fait des, campagnes sporadiques pour protéger, faire une ceinture quelque part. la dernière fois, c'était quelques neuf districts qui ont été vaccinés. Ce n'est pas tout le Niger, c'est ceux qui sont frontières avec le Nigeria. Merci, euh, Monsieur Abdou. Monsieur Rachid Kolo, euh, quel bilan tirez-vous de la vaccination Covid-19 au niveau des migrants euh, Pour parler de bilan, je pense que ce serait plutôt à ceux qui gèrent la vaccination de parler de bilan parce que c'est eux qui gèrent les statistiques. parce que les vaccinations sont gérées par la DRSP, la prise en charge des malades est gérée par la DRSP les statistiques officielles concernant la maladie à la COVID-19 et sont gérées ces statistiques par la DRSP. Et c'est la seule voie autorisée vraiment pour parler de statistiques ou de bilan. Donc euh, je ne saurais devant la DRSP me permettre de tirer un quelconque bilan qui n'est que le bilan de la DRSP. Et tout ce travail fourni par la DRSP, vous, c'est visible, non Visible, c'est visible. mais seulement, on n'a pas les statistiques. Oui, mais qu'est-ce que vous constatez de ça en termes de résultats Ben, en termes de surtout résultats. Surtout au niveau des migrants, surtout dans le cadre de la vaccination. Je dirais que c'est satisfaisant. C'est satisfaisant, mais quand même, pour tirer un bilan, quand même, ça revient à la dérespect de tirer le bilan. C'est satisfaisant, pourquoi vous dites ça Parce qu'on travaille, le travail n'a jamais cessé depuis le début et ça continue. Même ce matin, on a travaillé avec eux dans le cadre de, cette lutte. Donc nous faisons ce qu'il y a à faire et de manière vraiment continue, perpétuelle, main dans la main avec les autorités sanitaires de la commune. Parce qu'en fait, ce qu'il faut... Il n'y a pas d'insuffisance donc ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que nous venons juste nous en appui. C'est une politique nationale de l'État du Niger. L'OIM ne fait qu'appuyer cette politique nationale. L'OIM ne conduit pas cette politique, elle ne l'exécute pas, mais elle accompagne. Tout comme euh, la plupart des, acteurs dedans, c'est vraiment le lead, le leadership est géré vraiment par la direction régionale au niveau de la région. Il n'y a pas de difficulté donc dans la gestion. De notre côté, il euh, n'y a pas de difficulté ressentie. En tout Merci, euh, M. Rachid. Boubacar Wadel, euh, acteur de la société civile, au niveau de la population, quel bilan tirez-vous dans la vaccination COVID-19 Notons quand même, euh, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur la question. Eh oui, en tout cas, pour les bilans, je l'ai dit, <clears throat> il y a eu tellement de campagnes de sensibilisation. Il y a eu beaucoup d'appui en kit, les lavements, des gels hydroalcooliques, des savons. Il y a eu tellement de sensibilisation, des bavettes aussi. Et maintenant, ce qui reste, c'est par rapport au vaccin. C'est ça qui fait que jusqu'à présent, les gens n'ont pas confiance à ces vaccins. Et pourquoi selon vous parce que pour eux, ils pensent que peut-être c'est pour les empêcher d'avoir des enfants, c'est pour, diminuer la surpopulation. Parce que l'a déjà dit. La polio, c'est déjà depuis en 1987. Euh, les jeunes disent que ah, ça empêche d'avoir des enfants et nous sommes en 2021. La population nigérienne a même doublé ou triplé de 87 à aujourd'hui. Donc je pense que c'est important et pour les vaccins qu'on puisse mener des campagnes de sensibilisation, même dans les radios publiques et privées, les fadas des jeunes et dans des lieux publics comme l'autogare et les marchés publics. Donc en termes de bilan En termes de bilan, moi je pense que vraiment chapeau à, ceux qui gèrent les institutions de, la santé, par exemple la DRSP, chapeau à tous. Et ceux qui font la euh, vaccination. nos parents aussi, qui sont de la société civile, aux organismes aussi, qui ont tellement contribué beaucoup d'argent, beaucoup des de kits pour éradiquer cette maladie. Moi, je pense que chaque pas, tout le monde, beaucoup de choses ont été faites. D'accord, merci. Enfin, euh, Monsieur euh, Abdou, quel est votre message à l'intention de la population de la région d'Agadez par rapport à la pandémie de la COVID-19 en général et en particulier sur la vaccination COVID-19 En général, d'abord, c'est le respect de ces mesures barrières y compris la vaccination, parce que euh, c'est un des points clés, même si on respecte, il faut quand même se faire vacciner. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à, euh, du moins à la population de la région d'Agadez, le respect des mesures barrières et la vaccination. Et surtout, euh, particulièrement sur la vaccination, vous votre message. Particulièrement sur la vaccination, euh, moi je dirais que le bilan il est positif. D'autant plus que nous avons, ce que nous avons eu comme première, deuxième cargaison, nous l'avons écoulé. Nous sommes à la troisième euh, cargaison. Et Quel est votre message qui va, qui va beaucoup convaincre la population, vraiment Convaincre la population, c'est d'abord un truc qui euh, nous concerne tous, pas moi seul, et y compris euh, les médias. C'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Voilà, c'est la sensibilisation pour, pour que les gens puissent comprendre l'intérêt de la vaccination. Quand tu te protèges, tu protèges l'autre. Donc, il faut se faire vacciner pour protéger l'autre de, l'infection. Merci beaucoup. Monsieur Rachid Kolo, enfin, quel est votre message à l'intention de, de, de, migrants et refoulés d'Algérie ben, Le message, euh, c'est le même, hein, et ça a toujours été le message euh, en permanence. C'est vraiment la sensibilisation de, de cette frange de la population pour... Euh, accompagner les efforts des autorités sanitaires, notamment dans euh, à travers le respect des mesures barrières et à travers la vaccination. C'est le message que nous véhiculons euh, de manière permanente, tout le temps, vraiment à nos migrants. Merci. Monsieur Boubacar euh, Wadel, acteur de la société civile, alors quel est votre message aussi Les mesures barrières, je pense qu'elles devraient être respectées on devrait continuer à respecter les mesures barrières. En même temps, et pour les vaccins, je pense que c'est pas du poison. C'est quelque chose qui est fait pour contrer la maladie. Donc je pense que c'est très important que, surtout côté jeunes, c'est qui, qui, font tellement des accusations qui ont parfois, font du côté positif par rapport à ces vaccins. n'ont qu'à aller se vacciner pour éradiquer cette maladie. Parce qu'un jeune qui se vaccine, et non seulement il ne peut pas contaminer ses parents, ni ses petits frères ou petites sœurs, donc c'est important de se vacciner. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce euh, forum euh, de ce soir sur euh, le thème la vaccination contre la COVID-19. Quelle est la situation à Agadez, ville de transit de migrants On peut retenir donc ensemble sensibiliser, continuer à sensibiliser la population pour se faire vacciner est très important. Et on peut aussi euh, retenir, de soutenir aussi les autorités sanitaires dans cette noble mission. Donc c'est les conseils de tout un chacun. Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous étions en compagnie de Abdou Malam Souley. Il est coordonnateur des immunisations au niveau de la direction régionale de la santé publique d'Agadez. Merci monsieur Abdou Malam Souley. Merci. Abdullah Rachid Kolo, je rappelle bien, vous êtes assistant projet à l'Organisation internationale pour les migrations, OIE Agadez. Monsieur Rachid, merci. Merci Moussa Maman. Boubacar Wadel, vous êtes le président du conseil communal de la jeunesse d'Agadez, acteur de la société civile. Merci Monsieur Boubacar Wadel. Merci, merci Monsieur. Alors, au revoir.